asalaamaaleykum mbokku internet yi tey ñu am mbégte euh, di dalal suñu xarit euh, monsieur Kane Mbaye Kane Mbaye moom mooy coordonnateur départemental cadre APR bu Louga euh, nekk conseil technique à la présidence de la République Kane Mbaye ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Sadio. Mm-hmm. waaw di am mbégte di la dajal di la dalal suñu émission bi ñu naan invité di jour Kane Mbaye man question bi la njëkk a posé mooy est-ce que jàpp ngeen ne yéen juróom benn at après bi ngeen ñëwee ci pouvoir bi. juróom benn at encore ñuy wax arrêté Ousmane Ngom est-ce que loolu du delluwaat dellu ginnaaw boo xam dellu nañ ko ci wàllu démocratie. Euh, merci Pape euh, avant may tontu sa question nga may moom gërëm la ci invitation bi euh, wax dëgg yàlla yow nit ku baax nga donc le fait que nga invité ma fii lu rëy la ci man donc maa ngi lay remercier di remercier équipe technique bi ci invitation bi nga ma invité maintenant par rapport à l'arrêté Ousmane Ngom. Euh, je crois que euh, sénégalais yëpp xam la euh, capitale Dakar surtout parce que arrêté de viser Cap Manuel et Dakar plate zone c'est une zone névralgique Il faut que toutes les activités économiques toutes les banques le port de Dakar tout hein, le palais présidentiel la primature les différents ministères loolu dafa war a ni rek foofu zone boobu du zone bi nga xam ni euh, war nañ mën def ay yëngu-yëngal ndax activité économique yi lu bëri fa la concentré donc même bu fekkoon démb les gens c' étaient offusqués offusqués lu tax ñu taxawal cet arrêté Ousmane Ngom euh, aujourd'hui avec la pratique on s' est rendu compte que c' est un arrêté qui est pertinent par rapport ak li ma la wax léegi que ne l' essentiel des activités économiques de la région de Dakar foofu nañ ko concentré donc nous ñu quand même euh, zone yi des zones euh, ça n'a pas empêché à l'autorité préfectorale à chaque fois que l'opposition sénégalaise euh, veut bien manifester nous may espace mhm. je crois que manifester deux fois en l'espace de deux mois Ben c'est entre la place de l'obélisque et la RTS ben, bi euh, c'est dans la banlieue, banlieue dakaroise. Donc, ce qui veut dire que donc, a ben restriction à la liberté de manifestation. Mais cette restriction, c'est une restriction justifiée, parce que comme nous l'avons dit, zone Bobo, c'est une zone névralgique. Puis nous savons aussi, les Sénégalais qui ont nous les empêcher à chaque fois de manifester. Donc, c'est ce que je pense. Oui, mais vous, peut-être c'est ce que je pense, mais vous avez changé d'option, parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous avez

Sénégalais yu bari ak Dakar yu bari fa la yaakar bu suba fa la dem chaque fois da nga koy nit di manifester tous les jours di faire la même chose parce que kenn di nga may ñi mhm. et à la longue du du opposition di arrêté bi parce que faaw ngeen opposition moom <laughs> non non non non duñu ko parce que gëm nañu aussi euh, na moment nañ ko parce que nañu gënul mais ñun ñu réew mi ba doxal ko am nañu ne euh, arrêtez Ousmane Gombo, arrêtez arrêté nous conserver pour la postérité parce que aussi il faut nous dépasser Sénégalais Si nous sommes en opposition pouvoir sur des questions sur des principes et sur des questions essentielles. Nous avons un large consensus man gëm une démocratie fondamentale mhm. fondamentalement mais quand nous pouvoir manifester Sénégal expliquer. Euh, je crois que le ministère de l'Intérieur a eu un rapport. Euh, sur le taux d'autorisation des manifestations publiques et que nañ euh, les manifestations interdites gëm naa 5 mais mais ci 5 yoy 5 pour pour wane aussi. Mhm. xam liberté publique Moi toutes les formes de liberté bi nga que l'État état aménagé, koy aménager moo koy joxe te état mënu ci mhm. liberté d'expression liberté de réunion liberté de manifester Ce mhm. euh, euh, c'est des libertés c'est des droits qui sont acquis c'est des libertés qui sont consacrées par notre constitution mhm. et quand a un état bu peut revenir sur ces libertés fondamentales mais mais xam nga foofu les docteurs, il tuuti yéen yéen ne ngeen mais loolu xam nga problème bi mu posé lan liberté publique dafa yaatu mais liberté politique nak la ñuy wax fofu nonu. li interdit ci ay manifestation politique mo ëpp li autoriser. autorisé non xam nga xam nga bu ngeen heure bu manifestation politique amé ci ay espaces yi nga xam enfreindre l'ordre public mhm. te empêcher les activités économiques de se dérouler normalement ces ces manifestations sont autorisées on a l'exemple ay de manifestations de l'opposition qui sont autorisées mais maintenant si c'est des gens qui veulent aujourd'hui euh, remettre en question l'ordre public remettre en question la loi parce que quand il y a une, arrêté préfectoral qui interdit de manifester dans une zone une opposition responsable doit pouvoir à mon avis mm-hmm. se plier à cette volonté de l'autorité préfectorale loolu aussi dans un système démocratique mm-hmm. où les gens aussi sont respectueux de l'ordre mm-hmm. parce que n'oublions pas que la loi est la condition de l'ordre mm-hmm. c'est fondamental donc c'est aussi nit ñi dañ de faire bàyyi xel politique bon maintenant comme nous l'avons wax le Sénégal a fait des conquêtes démocratiques extraordinaires que li ma gëm mooy président Macky Sall nous son attachement aux valeurs démocratiques gëw dans une posture hmm, de faire moins que ses prédécesseurs donc c'est la gëm moo euh, sur ce plan je crois que y a avancé significativement en importance euh, et que le rapport du ministère de l'Intérieur que sur le taux d'autorisation et de non autorisation des marches est assez édifiant pour montrer qu'effectivement euh, que effectivement nous sommes dans une dans une ère démocratique qui n'est pas susceptible de faire un recul. mais mais mais patam patam de croix. Mais tu non, est-ce que c'est ëlëmu leen tudd ji maanaam aussi dans dans le cadre de l'application de la loi nous xam que le refus d'obtempérer est am conséquences aussi fait que vous êtes en face de force de l'ordre dans une manifestation qui n'est pas autorisée hein euh, la police vous dit monsieur vous n'avez pas le droit de circuler ici rentrez chez vous yow nga ni non de manifester par force vous êtes en train de défier la loi. À part de ce moment, euh, les forces de sécurité, euh, sans aucune violence parce que mon violence. non on l'a pris au collet. parce il avait refusé de camper. Il ne voulait pas partir. Oui, mais par exemple qui c'est des démocraties avancées mais il encadrer les poussé mais loolu pas potam dañu ko mais xam nga xam nga fan la doon grawé. waaw Ko euh, ñu dóoroon ko. mais mais dinañ ko def mbaa ñu def ko lu non dafa nànk rek mbaa ñu def ko lu met. xam nga fab la. waaw la yobul la. ah ak pousse la nga dem ben rek la. Ça dire que man man foofu gisuma fa violence bu ñu exercer sur Mamadou Diop Decroix gisuma ko et que su ma sama honnêteté dina ma may ma wax ne je condamne toute forme de violence parce que aussi au-delà de au-delà de nos appartenances partisanes nous sommes des patriotes sénégalais nous aimons ce pays nous sommes tous parents xam nga loolu man dama koy intégré ci samay analyse mais quand j'ai vu l'image j'ai vu que rek yëkkati nañ ko yóbbu ko mais la police n'a exercé aucune forme de violence sur lui mhm. je crois que ah, te te gis nañ bi ko bi ñu ko jàppee patam par nekk suba suba gi seen ministre Aliou Ndiaye bi nga xam ne yéen a ka mhm. dafa félicité policiers mais loolu loolu daanaka waaw non li mu féliciter. félicité xam nga la police aussi dafa am une une mission essentielle mooy préserver l'ordre public C'est une mission essentielle de la police parce que nous savons que c'est l'État qui a le monopole de la violence physique légitime. Absolument. Pour, reprendre Max Weber. Comme euh, responsabilité forces de sécurité, moi, veiller non seulement à l'ordre public, mais veiller à la défense de l'État. Mm-hmm. Hmm? donc loolu aussi loolu rek le ministre rappelle rappelé te loolu ñëpp xam euh, mais les forces de sécurité sont conscientes hein, qu'ils ont une mission essentielle de préserver l'ordre public et de faire en sorte que l'État mun à chaque fois mën di doxal nu mu war a dans le respect effectivement de la loi et des libertés publiques. non d'accord mais gis nañu tamit euh, kamba yéen amna sen yorine yorinu réew mi. Mhm. am na xaw a touti moy mhm. ci consensus ak waxtaan ak acteurs politiques fofu dafa mel da fa lajju touti ndax Macky Sall bi ñëw ba légui tok ak waxtaan ak opposition am sax daanaka mënut ta nek waaw mais xam nga Pape Sadio Sénégalais yëpp xam nañ ne c' est l' qui refuse le débat ñaata yoon appelé à des concertations nationales sur le processus électoral sur le fichier électoral mais il y a aujourd'hui une certaine opposition qui refuse catégoriquement hein, de rejoindre la table des négociations ñu du président c'est eux qui refusent. mais est-ce que ce que non c'est sans débat. appliqué quoi après opposition bi waaw Pape. le euh, Sénégal a fait des avancées significatives euh, dans notre démocratie depuis 1992. depuis le code électoral consensuel de Kébambé. Euh, c'est ce code qui a d'abord consacré le secret, de de l'isoloir. En 1992, nous le passage à l'isoloir était facultatif, n'était pas obligatoire. C'est à 1992 qu'on a rendu obligatoire le passage à l'isoloir. Mm-hmm. Et depuis cette, date, on a consacré un dispositif qui nous a permis d'aller vers des élections en 1993, en 2000, en 2012, en 2007, en 2012 mm-hmm. et Inch'Allah en 2019. Donc il n'y a aucune aucune possibilité aujourd'hui mhm. de truquer les élections au Sénégal. Nous avons un système électoral que bien des pays nous envient. Comme mhm. comme nous ne li que l'opposition ait confiance au processus. non quand le processus ce pas remis le pas pas le vote en lui-même qui est remis en cause li ñu en cause c'est le processus. Bah, le processus en amont et en aval. Oui, mais xam nga xam nga xam sais, mooy sur le parrainage l'opposition, bon, du significatif. Mhm. Encore que là, on peut toujours euh, revenir sur tout cela. Nous, avons boycotté les concertations. mais mais mais mais quand nous avons la responsabilité de diriger un pays. Mhm. parce que le président de la République c'est lui le dépositaire de la confiance des Sénégalais. absolument à part de ce moment quand il s'agit de prendre une décision historique sur une question donnée. Mhm. il lui appartient à lui seul en dernière analyse et en dernier ressort de prendre toutes ses responsabilités. c'est ce qu'il a fait Les parce que selon eux le processus est biaisé etc. Ils ne viennent pas. mais au moment de la prise de décision cette prise de décision qui incombe à l'autorité suprême qui est en l'occurrence le président de la République mais lui en toute responsabilité et bénéficiant de la confiance des Sénégalais il va prendre ses responsabilités dans cette affaire. et dans bien d'autres cas dañ leen di woo ci Sénégal yi xam nañ loolu dañ leen di woo ñu ne ñoom duñu waxtaan hmm. waaw ñii sax naam ñoom man duma taxaw président de la République duma lii ak lii donc loolu mooy indi problème bi hmm. mais je crois que man li ma gëm mooy système démocratique d'abord euh, dafay basé wu sur le consensus dynamique hmm. parce que Rousseau moo waxoon bu fekkoon amoon na démocratie dëgg-dëgg ci un peuple de Dieu rek nañ koy appliquer ce qui veut dire que démocratie c'est une construction permanente amul benn réew dans le monde bu atteindre un niveau maximale de construction démocratique. C'est une construction permanente. Nous aussi, nous avons une histoire démocratique, nous avons préservé. Comme le président, vous me savez, nous avons Diego Bodef sur la construction démocratique. Aujourd'hui, le président Macky Sall m'a dit ce que je veux, ce que je faire, c'est ce le faire. dara dara dara tout n'est pas parfait euh, lépp ci perfectible dans la vie et que ce ma gëm mooy li olof naan daanu dajul nous ne mais euh, un système démocratique apaisé où la confiance va revenir entre les différents acteurs du géopolitique et que nous sommes dans une, dans une perspective d'élection apaisée, euh, transparente, hein, où tous les acteurs au, final vont accepter euh, le verdict implacable des urnes. Ah, le verdict implacable des urnes, une transition nous sommes dans l'élection 2019. waaye mi dafa mel ni seen mbër mi muy le président Macky Sall moom mooy tànn ñi muy bëreel tey ji éliminé na Karim Wade éliminé na Khalifa Sall lool loolu yéen da ngeen toog ba si yàgg mu xaw leen déranger tuuti parce que challenger ñi nga xam ne challenger bi ñi xam ne ñoom ñoo ko war a mën a inquiéter ñooñu ñëpp tey jii kii exilé nañ ko kii mii ci kaso bi. waaw mais xam nga xam nga Pape. waaw man analyse bi du ci d' accord parce que. Euh, bo waxee ñi nga xam bo nee challengeurs yi ko mëna yakal ñom ñoom la éliminer mm-hmm. daf may jaxal dina jaxal Sénégalais mm-hmm. parce que bu dé Khalifa Sall yéen ngi fàttaliku ci élection législative moom ngi ci benn coalition mm-hmm. taxawu Sénégal mu ànd seeg Idrissa Seck ànd seeg Malick Gakou ànd seeg Cheikh Bamba Dièye ànd seeg Mansour Sy Djamil ñoom li ñu am ci voix matul sax quatre cent mille voix cinq prétendants au fauteuil présidentiel n'ont pas obtenu, ils ont obtenu moins de 400 000 voix. Mm-hmm. Là où le président la, où, la, coalition Beno Bakuyaka, sans le président Macky Sall, mm-hmm. a obtenu à peu près 1 700 000. Donc, Boy Hall, bon, Khalifa Sall n'est une menace pour le président Macky Sall, je ne peux que rester dubitatif. Mm-hmm. Nga jël Karim Wade. waaw ngeen exilé Non, est exilé non exilé est Karim Wade.

Euh, et là, peut-être qu'il y a une petite transition pour interpeller les cadres du PDS Comme moi aussi, avec tout ce qu'il a fait, parce que moi j'ai été un. là Je suis étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et je parle sous le contrôle de mes amis qui, partout dans le monde, certainement me, euh, verront dire ces mots. Nous savons que Ablaïwad Diallo, nous l'avons fait pour ce qu'il a fait pour ce pays, pour son parcours exceptionnel, pour avoir introduit dans ce pays le pluralisme sous toutes ses formes, le pluralisme médiatique, le pluralisme politique. Parce que le plus grand parti d'opposition au Sénégal, c'est le PDS, déjà en 1974. Pour, pour, tout ce qu'il a fait dans ce pays, son parcours exceptionnel, Wad a commis deux erreurs historiques. La première erreur historique, c'est d'avoir mis sur orbite son fils et ben moi doon wax sax ni sama mon moo dàq Sénégal c'est une erreur historique qui a été fatale mhm. la seconde erreur historique et malheureusement c'est la première erreur historique mhm. Moi, vouloir faire Karim le candidat du PDS et de toutes les forces démocratiques qui l'accompagnent et man je plains les cadres du PDS parce que je connais des cadres valeureux au mhm. être candidat à l'élection présidentielle parce que aussi Wade il a fait son temps il a été occupé d'importantes fonctions dans ce pays. Déjà, ministre d'État sous Diouf, hein, n'est président de la pendant 12 ans, hein, un, des, un des chefs d'État les plus respectés de, l'Afrique, en Donc, nous avons que li nous avons def organiser les forces du parti démocratique sénégalais faire qu'il n'est un candidat consensuel. Mhm. mais le fait de vouloir coûte que coûte imposer son fils déjà ça pose problème. Mhm. ensuite Karim Wade bon le PDS est passé de 37 en 2012 à à moins de 17 mm-hmm. euh, au législatif de 2017. pour dire tout simplement que si fi menace ah menace, le président Macky Sall ko exiler wala menace président Macky Sall monde jël Khalifa Sall prison. nous pouvons toujours revenir sur le cas Khalifa Sall sur sur sur euh, sur sa condamnation en première instance et en appel. Il Khalifa Sall aussi sénégalais xam nga Khalifa Sall c'est pour des raisons politiques qu'il a été emprisonné mais de plus en plus les sénégalais se rendent compte et que nit dans les places publiques sur les gens il y a une chose qui revient toujours mm-hmm. ils te disent bon Khalifa Sall il a prêté le flanc mm-hmm. parce que les fausses factures c'est une réalité mm-hmm. et je crois que lui-même il ne l'a pas nié ni suivre les procès en premier instant en appel, sont d'avis que lui-même n'a pas nié le fait qu'il s'est adonné à des fausses factures parce que li mu wax mooy flac mhm. à part de ce moment boo fait faux en écriture hein? Ah, mais mënutuloo génn c'est-à-dire nous, ñëpp xam Nous ku fi def de ci réew mi mhm. di nga am di nga am jafe-jafe ak justice donc euh, ce c'est pas, le président de la République qui l'a emprisonné. Mhm. Il a, c'est la justice. Il a eu un problème avec la justice. Mhm. Or, la justice, comme la loi, euh, elles sont impersonnelles, mhm. elles sont générales. Donc, l'autre mot, il dit son emprisonnement, tu, tu, tu, tu, première instance, Maintenant, il a fait un pouvoir en cassation. On verra ce que cela va donner. dernière euh, question. Euh, moy ci parrainage bi. Mhm. parrainage bi mel yéen yéen ñi ko initié maîtriser wu len paramètres bu ngeen bu ngeen demen par exemple c'est un corps électoral de 5 millions d'inscrits Il su ngeen su ngeen signé loowee out ngeen recueillir lu mat 3 millions 500 000 mille parrains lan des opposition bi. waaw dama bëgg ñëw d'abord sur la pertinence du parrainage. parce que xam nga euh, Sénégal je crois que élection législative activités moo. Parce que quand vous dirigez un État, quand vous, quand vous gouvernez, il faut que une une vision c'est-à-dire que dans une élection législative où il y avait 47 listes les Sénégalais avaient la peine du monde à voter il a fallu quelques jours avant pour que je crois conseil constitutionnel autorisé à ce que nous 5 listes sur les 47 euh, mais au finish sur les 47 listes les 33 n'ont pas eu de député sur les, les 10 n'ont eu de députés que grâce au plus fort. Madame mooy ay ñoom Sonko ak tous ces gens-là euh, ci plus forest nous avons député députés. xool kon sur les 47 listes am eu 43 yi nga une chance am député donc y a quatre grandes coalitions rek ont eu am députés. député le même scénario se reproduit au présidentiel de février 2019 peut-être a am 100 100 candidats ou 150 candidats. Mm-hmm. ce qui est inimaginable. Mm-hmm. dans un pays démocratique bi nga une amuñu habitude de gis lu mel noonu. Mm-hmm. président xalaat ne war nañu un parrainage citoyen. pour constituer un filtre pour éviter les candidatures hasardeuses les candidatures fantaisistes. c'est très souvent gars yi dañu ci pour après négocier au second projet mais en vérité amuñu ancrage populaire bu lay mën prétendre à diriger un pays. Mm -hmm. Donc, nous sommes citoyens. Et parrainage citoyen, entre, entre le plancher de 54 53 000 avec le plafond de 60, 64, 67 000, parce que le fichier général, je crois que le fichier général tourne autour de 6 millions, 680 fait que nous sommes entre 54 000 et 67 000, mais nous prétendre diriger un pays, parce que fille, vous n'avez a 6 millions 700 000 électeurs, fichier général, votant est 4 200 4 300 000. Pour passer au premier tour, impérativement, il faut avoir 2 200 000, 2 300 000. vous faites que vous avez 67 000, vous avez 154 000, comment tu peux prétendre un jour a une élection présidentielle dès le premier tour Donc, filtre B, Sénégalais, nous avons Mais c'est une chose chose extraordinaire Nous xam c'est un impératif catégorique Nous avons élection présidentielle donc le mot ñu que bon amuñ ci un problème mm-hmm. en tout cas man fa que nous di euh, ñun dans la mouvance présidentielle la la la grande coalition de la majorité présidentielle mm-hmm. nous sommes déjà sur le terrain xam nga te fu ñu dem Sénégal dañuy wax de wax dëgg li ngeen Mhm. te nag wax dëgg yàlla aussi euh, gisuñu gisuñu ku leen fi tane. Mhm. ensuite c'est, en tout cas c'est, c'est, ce qui ressort par nos discussions avec les gens gisuñu ku leen tane fi waaw loolu nag daf ñu gën dalal suñu xel et que euh, bu ñu mënee am 3 millions 500 mille euh, parrains. Mhm. ñu parrainé président Macky Sall day wane ne rek nous sommes majoritaires. Euh, sociologiquement dans ce pays. Mhm. et certainement électoralement. quand vous avez war les wax. qui Mbaye maa vous lay de léegi gërëm li ñu cërale woon ci waxtu man daanaka qui na. Mhm. man lay sant léegi gërëm ci ñëw bi que ñëw Ce que sa bu dire, euh, aux Sénégalais aux citoyens sénégalais. Mhm. qui s'apprêtent à voter le 24 février 2019. qu'ils ont une occasion unique inespérée euh, de renouveler leur contrat de confiance avec le président de la République monsieur Macky Sall li waral le président de la République dafa am lu mu indi ci y mi une révolution xam nga wax caractéristiques fondamentales. mas wax jour révolution ñaari caractéristique fondamentale la mhm. benn bi ampleur bi bi mooy rapidité changement yi te booy ñaari caractéristiques ils sont au cœur de la vision du président de la République matérialisée à travers le PSE et les politiques intermédiaires politiques publiques PUDC Promoville

2000 2011 nous sommes à 1571 km de route. Mhm. de 2012 à 2017 nous sommes à 1298 km de route. Mhm. cela veut dire que nous avons fait 12 ans nous avons dépasser presque les 3000 km. de route. donc il faut que nous tuddee rapidité l'intensité. intensité mhm. c'est-à-dire que si nous bi nous nous def li nga xam ay nit nañu fukki at ñaar fukki révolution que nous a couverture maladie universelle bien que nous na des problème parce que c'est normal c'est l'argent public qui est injecté directement euh, sans un retour sur investissement direct en termes financiers donc il faut mu am des fois ay mais tu jii tu chiffres nous avons presque 2,6 millions et quelques sénégalais couverture maladie universelle mais Mais le bourse de sécurité familiale nous sommes à 400 000 familles sénégalaises 40 milliards ça c'est inédit ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de ce pays mm-hmm. nga jël aujourd'hui carte d'égalité des chances pour les pour les personnes à mobilité réduite les personnes les plus vulnérables parce que président Macky Sall yéeneem euh, sénégalais bu parce que vous ci que discours viens dama bëgg en 2030 en 2030 sénégalais sénégalais yu 2030 ku ci réaliser sa légende personnelle mm-hmm. pour parler comme Coelho donc loolu loolu loolu yéene c'est am je lay on les matériel sur le sur le paquet social sur les infrastructures. Mhm. de dernière génération. parce que si Senghor a construit un état un état une nation Abdou Diouf l'a consolidé Wade lui c'est le père des infrastructures hmm? boo toute la politique infrastructurelle euh, c'est le père des grands équilibres macro macroéconomiques mais Macky Sall c'est le condensé de tout cela. c'est c'est le réformateur. Macky Sall non seulement c'est le réformateur. Mhm. mais c'est le condensé c'est le condensé de, la consolidation d'une État-nation mhm. hein, nga xam ne Senghor et Abdou mhm. mais aussi c'est le le le l'héritier des grandes infrastructures des infrastructures de dernière génération mooy le terre, mooy l'autoroute Ila Touba mhm. mooy mooy mooy l'AIBD mooy mooy des infrastructures de dernière génération Je nga dire ne tey jii ni héritage Senghor héritage Diouf héritage yu Abdou le président Macky Sall le condensé ci man gëw bokk ma ci ñuy wax ni ñi fi nekkoon def ñu dara. dama gëm ni Sénégal histoire am commencé wul 2012. ku ci nekk da nga bay da nga ñëw bay sa war ku ci nekk da nga bay sa war dem. Mhm. mais mais mais originalité président Macky Sall. té te loolu te loolu sax moy mooy mooy développement. absolument kenn mënu tabax lepp lépp. déedéet kenn mu tabax absolument da ngay tabax rek dem sa morom égalé mhm. waaye Macky Sall nag chance am. et que loolu xëy nimbalal yalla la moy euh héritage yooyu yëpp daf ko jël mom dugal ko ci ben ci ben ci 6 ans rek mhm. mu def li ma la révolution bi ma la li ma waxal ni ne mhm. xam nga révolution ñaari forme rek la forme violente comme forme non violente mhm. mais caractéristique révolution mu ngi au cœur de la vision du président Macky Sall kon kon bay ñu ngi lay sant lay gërëm jërëjëf Pape ma amoon mbégte di la recevoir fi merci mon frère ma ni yow yaay coordinateur cadre départemental Louga APR nek conseil technique à la présidence merci merci kon bay merci merci